chers auditeurs et auditrices, vous qui êtes branchés sur l'émission Le Niger sur Kalangou à travers les radios partenaires, Bonjour, merci de votre fidélité. Je suis Salamot Kadri et à mes côtés Retia Arimi pour la présentation. Bonjour Rechia. Bonjour Salamot. En forme j'espère. Je vais bien, alhamdulillah, merci. Et faisons aussi un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio A. À la technique, c'est Abdelkader Chambiano et Mariam Adé à l'édition. Alors Salamot, qu'avons-nous pour nos fidèles auditeurs ce matin Aujourd'hui Rechia, nous avons sélectionné une variété de sujets pour le plus grand plaisir de nos auditeurs et auditrices. Au programme de la musique pour tous ceux qui sont à l'écoute du loti avec les femmes du studio Kalangu, la page sport et bien sûr le flash d'information. Et ce matin, Aminu Dalladi, un fidèle auditeur du studio Kalangu, nous a apporté un entretien. Chers auditeurs, Rafika Atahere est avec nous pour le flash d'information. Bonjour Afika. Bonjour Akia. Bonjour, Salam. Bonjour Afichi alors, pour ce matin, dans un entretien accordé hier à une équipe de l'agence nigérienne de presse, le directeur régional de la douane Niameti Laberi, le colonel Ali Hamani Hassan, a annoncé que le bureau spécial moyen de transport a mobilisé du 16 juillet au 7 octobre 2024 plus de 3 milliards 200 millions de francs CFA à la suite de l'opération Tsaronkasa. Le colonel Ali Hamani pense ainsi que si à l'interne on arrive à mobiliser de ressources, cela doit nous interpeller dans le sens que les gens doivent comprendre que s'ils importent un moyen de transport, avant de l'utiliser, il faudrait d'abord mettre l'État dans ses droits, car ce sont ces mêmes ressources qui permettent de payer les salaires, d'effectuer des dépenses de souveraineté et mieux assurer la sécurité des populations et leurs biens. Cette opération est initialement destinée à la traque des véhicules sans dédouanement et sans plaque d'immatriculation ou ceux avec des immatriculations fantaisistes qui n'ont rien à voir avec la réglementation. L'objectif est de faire comprendre à ces personnes qu'il n'y a pas d'échappatoire. La seule voie, c'est de se conformer à la réglementation, a averti le colonel Ali Hamani. Ce 10 octobre 2024, le monde célèbre deux journées. La journée mondiale de la santé mentale qui est une occasion pour l'OMS de s'associer à ses partenaires pour souligner le lien vital entre santé mentale et travail. Un environnement de travail sûr et sain peut agir comme facteur de protection pour la santé mentale. Les conditions de travail malsaines, notamment la stigmatisation, la discrimination et l'exposition à des risques tels que le harcèlement et d'autres mauvaises conditions de travail peuvent présenter des menaces importantes affectant la santé mentale, la qualité de vie globale et par conséquent la participation ou la productivité au travail selon l'OMS. Alors que 60% de la population mondiale travaille, il est urgent de prendre des mesures pour garantir que le travail prévienne les risques pour la santé mentale, protège et soutient la santé mentale au travail. Il est essentiel que les gouvernements, les employeurs, les organisations qui représentent les travailleurs et les employeurs ainsi que les autres parties prenantes responsables de la santé et de la sécurité des travailleurs travaillent ensemble pour améliorer la santé mentale au travail. Quant à la journée mondiale contre la peine de mort, les pays qui continuent à appliquer la peine de mort sont une minorité isolée à l'heure où le monde continue de s'éloigner résolument de ce châtiment. Plus il y aura des pays qui aboliront la peine capitale pour tous les crimes, plus les pays restants seront isolés, plus leur position sur la peine de mort s'affaiblira. Et voilà pour le Flash Info de ce matin. Merci pour toutes ces informations, Rafika Atter, chers auditeurs. Nous suivrons dans un instant Aminou Dalladi, un fidèle auditeur du studio Kalangou qui nous a accordé un entretien. Mais avant Salamatou, nous vous proposons cette musique de l'artiste Jassibo Chambiano qui nous vient avec le titre Litolimi. yambuli ya biada aladandale akima aladandale yo tukuli nale barika ya aladandale litolilililigi tokigotode kimi gbangbangbang kimi itelilililigi tokigoto bump, bump. appelé au Niger diastrice est l'une des figures emblématiques du reggae. Il s'est rapproché de ses racines culturelles en interprétant, selon sa sensibilité, de la musique traditionnelle gourmandienne. Au Niger, il est considéré comme l'un des chanteurs les plus engagés. Avec neuf albums à bah, son actif, l'artiste mène de front une carrière vieille de 28 ans et une vie de peintre grâce à sa galerie L'Art plastique de, dénommée Galerie Tawaido. En 2008, son sixième album intitulé Kalinga sous, un mélange du rock blue et du reggae trempé dans la world music euh, a réussi à faire découvrir la culture nigérienne au-delà du continent africain. Au-delà de son statut de musicien, le Jazz s'est aussi lancé dans la production à travers un label dénommé Liptako Production. Ange mumu ya kagni Apocha maliki bontagi janade Ange mumu ya kagni Ajawa ligi bontagi jinada Ange mumu ya kagni Yo, Euh, après cette pause musicale. Voilà, chers auditeurs, on va passer à notre deuxième musique. Il s'agit de Ahmed Delta avec le titre Nachi L'un des chanteurs de musique Hausa le plus célèbre des Kennywood du Nigeria, Ahmed Delta, est un jeune homme qui attire l'attention de nombreuses personnes avec son style de musique moderne. Le chanteur d'origine nigérienne euh, résident à Kano est né dans, l'état du Delta euh, au sud du pays. Il est très apprécié par ses fans qu'ils enthousiasment à chaque fois. chers auditeurs, retour au studio et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Et maintenant, on accueille Ousmane Mamoudou. N'est-ce pas, Rachia Oui, bien sûr, Salamatou. Bonjour, Ousou. <laughs> Ousou, soyez le bienvenu avec nous. Bonjour, Ousmane. Bonjour à tous, euh, bonjour à tous les auditeurs. Ah, voilà, Ousmane, aujourd'hui nous allons parler d'une actualité qui va sûrement intéresser les utilisateurs d'Android et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous. Google déploie de nouvelles fonctionnalités anti-vol pour les smartphones. Ousmane, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus alors oui, effectivement. Euh, donc Google continue d'améliorer la sécurité de son écosystème Android. Et donc cette fois-ci, c'est avec trois nouvelles euh, fonctionnalités anti-vol euh, qui sont en train de se déployer progressivement. Alors ces outils annoncés au mois de mai dernier euh, ne sont pas réservés aux personnes qui ont des téléphones fabriqués par Google, les Google Pixel. Alors, et ils ne sont pas non plus réservés aux personnes qui n'ont que les dernières versions d'Android ce qui est une très bonne nouvelle pour la majorité des utilisateurs. Mais alors, quelles sont ces trois nouveautés, Ousmane alors, euh, la première fonction s'appelle le verrouage en cas de détection de vol. Alors, euh, l'idée derrière cette fonctionnalité est d'utiliser de l'intelligence artificielle pour exploiter les capteurs du smartphone, comme euh, l'accéléromètre par exemple, pour détecter un comportement suspect. Alors, ce que ça fait concrètement, c'est que si quelqu'un vous arrache votre téléphone rapidement, euh, le système pourra immédiatement se verrouiller euh, et, verrouiller le téléphone avant même que le voleur n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Ensuite, il y a le verrouillage euh, de l'appareil hors ligne, donc un autre mode. alors lui, il fonctionne lorsque le voleur tente de déconnecter l'appareil des réseaux pour éviter la géolocalisation ce qui est souvent la première chose euh, que quelqu'un qui vole un téléphone fait. En général, ils vont essayer de le mettre euh, sur le mode avion ou d'enlever les, les, les SIM, par exemple. Alors, le smartphone va se verrouiller de lui-même s'il reste déconnecté pendant trop longtemps. Et donc, cette option rend la tâche euh, beaucoup plus difficile pour quiconque essaierait d'accéder au téléphone volé. Enfin, il y a une dernière euh, option qui a cette fois-ci été améliorée, qui est le verrouillage à distance. Alors jusqu'à présent, il fallait se connecter à son compte Google euh, pour euh, verrouiller euh, son téléphone volé. Mais bientôt, il suffira de fournir son numéro de téléphone, ce qui facilite la procédure en cas d'urgence. Ousmane, ces mesures semblent répondre directement au tact euh, de voleurs euh, des smartphones. Euh, mais est-ce que ces fonctionnalités sont disponibles pour tout le monde ou sont-elles réservées à certains modèles de téléphone alors, ce que je disais tantôt, alors ces fonctionnalités seront déployées sur l'ensemble des smartphones Android équipés de la version 10 ou ultérieure. C'est-à-dire si vous avez Android 10, ça marche. Si vous avez 11, 12, 13, 14 jusqu'à 15, ça fonctionne. Alors grâce à une mise à jour des services Google, par contre. Alors ça signifie qu'un grand nombre de modèles seront concernés, même ceux qui ne sont pas les plus récents, donc les téléphones les plus vieux aussi. Ça peut fonctionner dessus. Et le déploiement a, d'ailleurs commencé euh, dans plusieurs pays. Est-ce qu'on sait quand cette mise à jour sera disponible chez nous personnellement, j'ai mis à jour euh, mes services Google hier et toutes ces fonctionnalités sont déjà disponibles au Niger aussi. Et je les ai d'ailleurs euh, euh, testées. Mais il faut garder à l'esprit en fait que le déploiement de ces, de, ces nouvelles technologies-là est progressif, comme souvent avec Google. Mais on peut s'attendre à ce que cela arrive sur l'intégralité des téléphones dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ousmane, une fois que j'ai installé les mises à jour, euh, j'ai fait comment pour euh, activer ces fonctionnalités Alors, pour les activer, il faut aller euh, dans les paramètres de son téléphone, puis vous allez cliquer dans Google ou service Google, puis vous allez cliquer sur l'onglet tous les services, puis vous allez cliquer sur protection contre le vol. Et là, vous verrez toutes les nouveautés. Est-ce qu'il y a un risque que ces outils soient détournés, par exemple, euh, pour bloquer des téléphones à distance sans raison Alors, c'est une bonne question et Google euh, en est bien, bien, bien conscient. Euh, et c'est pour, pour, cela que ces outils s'accompagnent de mesures de sécurité supplémentaires. Par exemple, pour le verrouillage à distance, il faudra prouver son identité en répondant à des questions de sécurité spécifiques. Ces système sont conçus pour éviter les abus. Mais comme pour toute technologie, il faudra euh, toujours rester vigilant. Merci Ousmane pour ces informations. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Au revoir, à la <laughs> semaine prochaine. <laughs> Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire marquant une pause musicale avec l'artiste Tingir Lampo dans le titre Sourassi. tukulande useinalabe usiganje tunande usiganje tunande usiganje tunande Voilà, c'était Sourassé de Tingirlampo. Chers auditeurs, place à présent à notre écho des régions et nous allons partir à Dosso, dans la commune de Kaigolo, qui est une zone où la malnutrition infantile reste un défi selon les agents de santé. Cette commune bénéficie ces dernières semaines d'une initiative portée par l'ONG Cœur Niger à travers son projet Red Sac pour lutter contre la malnutrition chez les enfants. Suivez le reportage de Barham Hassoumi. koygolo loktor kwara berodo ina la sabu fote kan banda idizan ka na bobo kan harai goga tabandi kan goga to ise muzungu yanga misawo gati dalilo kan se ine ima waibore no bayrei ga tonton zanke ngwayan di yango kan ganan muzungu yango maye da banda matakan ramotulai jami ibu kango red sack sigirara na cida e fa kare yaga bora kanga hagoida ne hare zono sanda ne hare fonda muzungu yango din akaga fatalo kwa rado harai ka kan ne zanka bobo gono kan muzungu yan nibe muzungu yan modori no kan da ni zanka aga wana ga hamo yo lobar maya se wodin banda aga ko gidi kalamu di ko ciya lakal obun boda ai kurkan na lakal di mu ana berai ka to wodin fondarano irka ga fa kare non go mu kono irmi cabi se sanda fonde kan borga gana kan ga nizo ma wada muzungu da ni izo da fur muzungu yan wora fonda kan ga gana kan nan ko ciya am fata muzungu yan wora irka ga faman di se ngwari ngwari dumdumi zai kan ya igate kan din nizo go ga ngwa aga fur zam ne bai zanka wo hankan ga da muzungu zana nan yango do hare no kala amma kan ware ni ga himga soli ni izo se ga nan a wana ga han no mutum masi goy beri mono al ummara oi bore ga doktor kware ga kasine gogate sigiro wo chinara kan go kware irano ga zanke muzugantai ki windi ga ka windi ga ba bore do kan hagoi dai. matakan ummu isufu na cida asikala al umma woybooray kan ga loktor kware ga ka sinayra relawo soŋo ayno gidi ka zankay de piste ka guna no ir gidi ka wundi ka wundi nan kan zan go ir ma niya ko dindan korfa dindan zanka kan baga ku gun gidi hal jono no arana go wal vero din rana go wal rujo rana go da zanka go no ara ai ga ba mu koi mamali me yare me ai dai bon bumbo da fa ai ga ko kartai wani bumbo da hine ngo me kul da hine ma san mamali me yare do ton dai zanka de piste ai miki ase mamali me yare kan do unoni kwekangoni kurara aimine wofodo unogu falin seni mokwa yado amfahaman dinse ifodo ifoye noni deja aimboda ikweden zanka de pistedi kan jono rana aiga afahaman daigine gunu kokari bambata noni guko hauda kuroja awondi ingwani ngu kokaro te so irmo irgano kokaro chindi bonfera wo kan red sak sigira te woi boreise te kai bana hanno zaman hunkuna koygolo bari kowoy borey duubayrey kanga zanka kainai muzungu yango tangam ismail jibo kango red sak goyey teka yanwora nemo wa kanga hagu gati borei kan dubaira di yefu ima woybor cindomono bonferey ceenu ka idayirga donc ceenwo ka irdayirga hunkunu giti hanu kai kosu ga kaga tuyanwote immanneer se kala muzungu no go gaba ko golo wona ko minora dir sambu 5 village bon Il fur yango ga kason ir gingane muzungu yango zabu silman kayne fo na ginno zam ir wo kayir il fur korera no irti assemblée générale il ne imir no way boriyan kan ginge bondi korara bumbo kan bor kul gaba iga donc ir sambu way boriyan kinka kwara kul way bore de irni formé ba ir manir formé Il to formation itaki oli hinza kayir ici. Kairni formé irne bor kul yeti akwarara am koyga izin yanga ide nge bumbo ami bon feri kan kana ifo ibon hanayen bon e e malnutrition bon da haiku kangiti hygiène corporelle ingeno irne we bore wo se irgonde page volte en kan ir sambu irdan à leur disposition irne im koy bore bon feri kwarera we bore bayre tontono damo al umara we bore kangoga docteur kware ga kasine dan goyora na zankai musgan yango no gabi koy golo kominora minora wana binde kai bana hannai kan asintin gano kan ga borai ga hini ga ziki suba gwamni ga dir koi fu bayi nin no kan buga ta wi din kwara ka kwara kurai ka kurai irgu subai ka te zan kai sai. iri wani kwara da goi ban batai kai irgu te ya iri zan kai do hara no irgu kokarin da zamni di zan kai dumi hin kano ehe izu kom saidi ne ngai no wani irgu kokari ku goi dai gum gum gum gum zama hanka sai irgu goi dai kace imdu ku tonton se zamni izu kwam sai iri gin borai kan fa karai Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre, c'est l'heure du sport. Notre chroniqueur sportif, Sariou Adam, est avec nous dans, ses studios. Bonjour Adam. Bonjour Rakia, bonjour Salamatou. Bonjour Adam. Adam, le calendrier du prochain championnat africain des nations CHAN est désormais disponible, n'est-ce pas oui, la CAF a rendu public euh, ce programme où les différentes rencontres dans les cadres des éliminatoires du CHAN 2024. Pour rappel, ces éliminatoires se dérouleront en deux tours. Le Niger est directement qualifié pour le second tour où il affrontera le vainqueur du match entre le Togo et le Bénin prévu entre le 25 et 27 octobre pour le match aller et le match retour entre le 1er et 3 novembre prochain. Le match du second tour aura lieu en décembre avec un match aller entre le 20 et 22 décembre et un match retour entre le 27 et 29 décembre. Les vainqueurs de ces rencontres se qualifieront pour la phase finale du Chan qui se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Merci Adam pour ces points sur les CHAN. Nous parlons à présent du Maina National A. Eh qui séjourne depuis hier dans la capitale angolaise. Eh bien, le 11 national se prépare pour affronter l'Angola pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Hier, le MENA national a effectué sa première séance d'entraînement en terre angolaise. Ce soir, les poulains de Badouzaki s'entraîneront au Mandela National Stadium afin de découvrir le terrain. Le match est prévu demain, vendredi 11 octobre à 19h GMT et 20h heure de Niamey. Et le match retour le 15 octobre à Casablanca au Maroc. Pour finir, Adam, parlons cette fois-ci du ménage junior qui continue sa préparation pour le tournoi U20 de l'UFOAB. Pour la circonstance, les U20 du Niger et les étalons du Burkina Faso joueront un match amical ce soir au stade général Sénikounte de Niamey à partir de 16h. L'objectif des deux sélectionneurs, procéder au dernier réglage avant le début du tournoi qualificatif B prévu à Lomé au Togo du 17 au 31 octobre prochain. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec d'autres informations sportives. Merci, merci, beaucoup Adam. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 29 minutes et c'est l'heure du portail du jour. Rekia, tu nous présentes qui ce matin Elle s'appelle euh, Fatima Bakabe, une productrice dans le secteur agroalimentaire à Birninkwani, région d'Etawa, en plus de l'agriculture qu'elle pratique depuis plusieurs années. Hajia Fatima s'est lancée en 2002 dans la transformation du lait frais en lait caillé et en fromage traditionnellement appelé choukou. Femme dévouée et engagée, Hajia Fatima a été élue présidente de l'Union de la coopérative Noman Sahel de Konni en 2015. La collaboration de cette structure avec différentes ONG du secteur lui a permis de bénéficier de plusieurs formations dans ce domaine. Suivant son portrait avec Ibrahim Harouna. An haife ta a sha takwas ga watan Oktoba shekara ta ɗaya a yankin Maradi kumin ɗin gazawa Hajiya Fatima Bakabe ta fito ne daga dangi musulmi kuma manoma ta yi aurenta a yankin Tawa a gundumar garin birnin Kwanni Hajiya Fatima Bakabe ta samu matsayin jagora ta Union Cooperative Nonon Sahel a shekara ta biyar daga nan ne ta ci gaba da samun horo daga ƙungiyoyi na ONG ONG inda har suka samu horon aiki a ƙasa kasashe daban-daban har yanzu ma ita ce jagora ta Union Cooperative Nono Sahel inda ta yi mamu karin bayani kamar haka. sana'a sarrafe-sarrafen tun 2002 tun can harko muna fayandi. A cikin fayandin nan da muke dama muna sana'o'i. Akwai masu yin yawurkin nan kullalle haka cikin gida akwai masu yin ji abin da ya kai mu dai ga aikin madara wannan shanu da aka bamu na gwamnati su ne suka kwadaita muna har muka shiga cikin aikin ba wai ni kadai president ba ko wanda suka suka zo daga baya ko ce daidai gwalgwado ma'aikata wa'anda ke aiki wanda suka tukuru tsaye suna aiki to lalle alhamdulillah kaga dai muna da ƴan lakwal kenan ko kuɗin lakwal ka biya ma ɗanka ko kayan sallah ka sai ma ɗanka har mun kai ma inda in sallah ta kama sai mu nemi dabba mai kwari mu siye mu yanka daren sallah mu ce ko wace ta yi miya jashi ba to bancin haka kuma akwai taimako da muke yi ma a tsakaninmu mu ba kanmu bashi bancin haka nan akwai taimakon da muke ba kamar makwabta haka shi alheri in mutum sun yi shi bai ma kamata ya faɗi sai muka sayi hatsi da shinkafa muka taimaka musu ana samun kalubala wajen sarrafawa kalubalen da ake samu kamar in ba a samu madara ingantatta ba a lokacin ba mu da husa'o'i na awon madara musan ta kirki ce ba ta da ruwa tahiyar nan da muka yi tare da fartenar kinmu to su suka sa suka gwada mana yadda ya kamata madara idan an kawo ta yadda za mu amsa ta yadda za mu gyaranta to daga wajen kasuwa kuma inda abu ya kalu ce mu lokacin da aka yi korona a lokacin nan mun samu eh, zuha kaɗan mun yi ta tunda cikin mu baki na sayan shi yan tuwari suna sai yan najeriya na shigowa yan nan cikin gida yan misiyon in sun hito suna ɗoka masha Allah sai ya kai wani ɗan lokaci sai ga manan dai sai haƙuri da muka hita daga cikin shi masha Allah duk matan da muke tare da su sun iya ciko ko ina nan ko ba nan akwai na baya na. kamar biro ne gare mu mambar da biro kin ko ba sanan akwai mambar kuma na gurfama duk dukkanmu gaba ɗaya babu wadda bata iya aikin ci. Ana ta bangare magatakardar tata ta yaba ma Hajiya Fatima Bakabe kan jajircewa ta da kuma irin samun ci gaba da ta yi a tare da ita. Wannan dai wa Allah ban ce mata komi sai da Allah saka mata da alkhairi. Yau shekaru da muke tare da ita kuma Allah ya bata ta da zama wanda duk Allah ya ba hakuri ko ya ba shi komi duniya da lahira tana da jajirce tana da komi. Jajircewar ta ita ta ƙara ba mu ƙarfin gwiwa. Da inda bata jajirce jajirce ba da ina gani ba mu zo ba nan tubarkalla masha Allahu wani lokaci ko ban lahiya kai sai mun ce mata sai ta tashi ta ta koma gida tana nan dai tare da mu mun samu abubuwa da yawa mun samu darussa da yawa hajiya fatima bakabe ta kira ne ga mata da maza da kuma matasa kansu tashi haikan su jajirce saboda koda cikin gida idan baka aiki baka sana'a to bara a dama da kai ba yan uwana ba mata kaɗai ba da matasa duk gaba ɗaya maza da mata ya kamata a bar kwana kowa ya tashi tsaye ga aiki yau in mutum baya da shi in baka ajiye baka ba wani ajiya ba kai ko cikin gidan ba kowa kake ba to saboda haka nan mutum zai yi ya hidda ma kanshi takaici kenan abin da nake so ga yan uwana mata na jikoki na kama kunne na kowace ta tashi tsaye ga kanta Voilà, chers auditeurs, c'était le portrait de Fatima Bakabi réalisé par Ibrahim haruna Cette fois-ci, partons en musique avec M. Zakir Niger qui nous chante Daram. Daram. Mix Daram. da ke muna nan daram Ni da kai muna nan daram Soyayyar muna nan daram Har yanzu ma muna nan daram Har gobe ma muna nan daram Har jibi ma muna nan daram Har gata ma muna nan daram Ya hakan nan Ya karki damuta Babu mai raba Da shan sanki ne da sa Daram na riga da na san cewa ni da ke mana nan daram daram daram daram Karki damutawa cikin rai gidan aje masoya daram daram J'espère que Kinanan ah, <laughs> Place maintenant à l'équipe femme du studio Kalangu pour, pour leurs sages conseils sur, ces, et sur des sujets en rapport avec notre quotidien à travers des thèmes touchant la vie sociale culturelle et économique du pays. Aujourd'hui, les femmes de Kalongo abordent la question des naissances des filles qui, jusqu'à présent, est mal vue dans certaines familles. Écoutons-les. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. Barka madam, barka madam, jinshin madam. Ginshin mace ce. Hamsa, Hamsa, Hamsa ina miki magana. Hmm. Ki gafarce ni uwa. Ina cikin wani dogon tunani ne. Haba, tunani kuma? Ai wannan baya da kyau cikin halin da kike. Karfa ki manta kina da juna biyu. Ya kamata ki kiyaye duk abin da zai bata miki rai. Menene ma ki bata miki rai kamar haka? Yanzu dai daga likita na hito. Na je na yi ecography. Sai likitan ya ce mini iya mace ce zan haifa. Masha Allah, ai wannan babban albishir ne da kike gaya mini haka, kuma wata iya mace kike jira, gaskiya ina kishin ki uwa inda ke san yayin da nake fatan a ce ina da iya mace. Amma tsaya, to me ke sa ki cikin wanga halin? Ko yarinya ba ta da lafiya ne? Hmm, ba wannan ba ne. Kin san da in aihi wannan iyar ita ce ta hudu, kuma mai gida na jira yake kawai in samu ɗa namiji yanzu ban ma san ba yaya zan yi in haɗa mishi wannan al'amarin. Haba, ba ni nan ga gane duk abin da kike nan kina neman ki kwatanta mini. <laughs> Mai na ya ce muddin na sake aihin wata iya mace zai yi mini kishiya. Saboda wannan ke, na ɗauki duk wani illahirin icce da kika san yana magani, kuma hallau mamata ma ta kawo mini wasu itace. kuma ina nan ga ɗokan duk abincin da aka ce ya kamata mace mai ciki ta ɗoka ke har da wasu ci maka da wata uwata ta ce mini in ci su don saboda ƙara sa'ar samun namiji duka dai gashi nan wai wai wai amma ke kin san kina son ki kashe tun ke tun ɗan ne ko habba habba kwantar da hankalin gidan Allah wannan abun yana iya kawo matsala ga ɗan da fa kike jira ha amma kin san wannan kawai zance ne mijinki daman da niyyar ya ƙara wata mata kin ji ban gane zance ba ne to wannan masana sun yi gwaji a shi ya kamata ki gane da cewa namiji shi ne ke ba da ƙarfin samun ɗa namiji ko ɗa mace kenan bai kamata ba ki ta da hankalinki saboda irin wa'annan abubuwa in akwai wanda ya kamata a ɗora ma laifi shi fa ne. Mhm. gora abun haka yake E mana wannan abu ne da masanan likita suka yi bincike a kan shi, kuma ki sani in ɗa namiji kika samu ko mace ne, ba ki san wanda zai zama ɗan albarka ba. Kuma tsaki ji insha Allahu za ni mijinki magana. Ai shi ma ne ya kamata a ce ya kare ki bisa kan irin wa'annan zantuttuka nan a'a mace ce ke da laifin aihuwa iya mata ko da yaushe ko ko ɗa namiji. Hmm. Kina da gaskiya gora, kin ga wa'annan duka ban mu kawo shi aka, kuma wallahi kin san burin samun ɗa namijin nan shine ke kawo mana matsala cikin zamantakewa ta mata da miji cikin wannan 'yan satin nan da suka gabata mace ko namiji ni a wurina duk kaɗaya ne kuma zan so su ba tare da bambanci ba madalla ai wannan shine nauyin da ya rataya akan iyaye haba idan murmushi mana <laughs> komi zai tafi daidai ke ji insha Allah gora madalla Voilà, c'était le loti de l'équipe femme du studio Kalangua. Chers auditeurs, cette fois-ci, nous poursuivons avec la culture linguistique. Omar Hama est avec nous. Il va nous expliquer l'expression repas en langue fulfulde. Omar, Gambeldo jam rakia eh, eh, bonjour, merci beaucoup aujourd'hui notre euh, culture linguistique est consacrée sur le repas que je vais expliquer en full tout de suite mhm, merci ono hettiniɓe yewtere wi'etede niger sud kala ngu kori jam wali emo miɗen jewta o miɗen jetta on du e hettinade fini allah fuu dow komin gon miɗen gaddana on wallude ko attatawenin ɓe kumpitama ko wonno waɗin hande en kaltana dow filla nema nde wi'ama nema du no anda toƴari pummari e hirande no tawa nder mum ɗume woni ko tagaɗo hani toƴira subana no hani tawi toƴiri hunde ko huyfi woɗi du suɓo ko toƴirta nonnon pumaari du no hani jomum tawe ñaami ñamdude hana teddudu fanon fuu hana ko darta filla hirande du no yamira e tagaɗo seni no ñaama ɗum kay no hani ñaama ko teddi ko watta tawe ɗum woni no wawa jogi ɗum heɓa reedu mum tawe du golli nane mbiye machine aji tawaɗe nder reedu ɗum keɓɓi golliri no woɗiri e tiniɓe yewtere meɗen ɗo woni hannde subana to gaddan gaddanɗe en dow filla kumpintinol nema ko bani adama hani botto subana e yaade nder jemma fuu mbeten to jam wiyete eyi eh, omar j'ai une question tu as dit nema c'est ça repas oui oui c'est ça et quelle est la différence entre nema et nyiri eh, bon nyiri c'est c'est le repas c'est la pâte quand on dit nyiri mhm. war nyam oh, oh, nyiri war nyam nyiri <laughs> viens manger la euh, ah, le repas, la pâte. mais on n'a pas différencié. quoi. C'est-à-dire de dire euh, quelle sorte de nir. Ça peut être nier maro, nier kamanari, bayeri. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions encore Merci. Voilà, chers auditeurs, c'était la la culture linguistique et nous allons passer euh, au message des auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au numéro 82 89 89 64. Salut on les écoute. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Je me nomme Monsieur Touré Abdelaziz Zakou, directeur école Windé. Franchement, Studio Kalangu unifie les gens et ça les donne beaucoup d'informations par rapport à la situation du pays et comment vivre même socialement parce que c'est des choses que les gens sont en train de faire. Mais avec euh, Studio Kalangu, on arrive à toucher toutes les couches chacun doit savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il va faire. Donc, euh, premièrement, je salue ma vieille maman, elle est à Niamey. Je salue mes frères et je n'oublie pas mes deux femmes à ah, Balera. Aïno Moulay Moussa Kansigene Moulay Damal Mugindita. Balayara, Wallahi Istiyo Kolangu, Irgogo Makani Gumo. Zamir wo bon fiera ka Irgogo Duaga, Zati Dinge Eroto, Irsi Hangan Haikul Kade Dabian, Irgogo Makani, Gumu Gumu Manchikaina. Radio wo Kayen Kaka Sohon kadde Bon Fiera Kirgudu Watukulu. Wodimban banda irga fo zada ba wa kan dirse sera ne wa dai kalangu goy tere ai gani fo ay gibani ha fo kan kango arlit sale alu sabar mo sai kango goyo te matkan kina hima alai salisu wanda aka sani da alai salisu mai albasa batun abun ga studio kalangu gaskiya asuman eh, sai dai mai fatan ubangiji Allah shi kara daukaka kuma da fatan alheri eh, ina sauraren su kai da kafa fi sabilillahi saboda duk abin da shi kaga kan matasa kan mi duka ina biyar da duk abubuwan da ka gudana suna fahimtar da mutane kuma kamar makaranta ce ma in kaddi diba. game da harkar nan na studio kalangu saboda abubuwa diya wanda suka yi na tsare-tsare wanda ba yaro ba ba latizo ba duwar kake kana karuwa da shi to bisa wannan sai dai mun fatan jinjina da fatan ubangiji allah shi kara ma wa'anda suka yi wannan tsari eh husaha na kara wannan shiri. Amina Galangu gaskiya alhamdulillah gaskiya muna jin daɗin shi Allah abu yi, Allah ya taimaka gaskiya shirin yana ƙatarwa al'amuran ma gaba ɗaya suna birge ni gaskiya muna jin daɗi wallahi karhe biyar zuwa karhe bakwai na mari eh, alhamdulillah wallahi Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, vu le problème technique, nous avons changé notre entretien du jour. Cette fois-ci, notre entretien nous amène à Chirozirine, à la découverte de Aminou Danladi, un fidèle auditeur du studio Kalongo, originaire de Tessawa, dans la région de Zander, basée à Chirozirine, qui a ouvert son discothèque dénommée Nia il y a 9 ans de cela. Il est au micro de Ahmed Filan. aiki na harkar diskotak ce nake yi kamar yaushe ne kuka fara aiki cikin wannan eh, na samu shekara kusan takwas ko tara haka ina yi dai eh akalla da dauke ta ma shekara dai tara ina taba kasuwa ina harkar diskoteka to amin dalladi mutum nawa suke aiki cikin wannan diskotekin eh to akalla da dai ina da yara to kuma sai muka kamar yanayin kasuwar dai yanzu dai a takaice zan iya cewa ni ɗaya ne nake da ina da yara dai discotheque ni ya yanzu da wanne kamar dabarori ne kuke aiki domin ku jawo eh, kan hulɗar naku sawo inda muke nuna kasa harkoki yanzu kamar jan hankali ne bisa kan kasuwanci ne yanzu shi dai kiliyan na farko dai yana son kai ka kyautata mishi eh kai ka ja hankalin shi akalla kuna wasa da dariya ana annashuwa kana jawo hankalin shi ne dai farin cikin kiliyan wanda zai zo yau gare ka gobe ya zo gare ka kullun ya ji baka fita daga shi yana marhaba da kai kai ka tarban mutane da kyau shine ake so bisa kan kasuwanci alhamdulillah tunda ana ci ana sha ana wa iyali kuma bayan haka ana kyautata iyaye kuma kasuwa komai yana tafiya daidai ana zama da mutane lafiya ita dai kasuwa in dai ba kare na ta ba ba lalle bane ta barka ka tafi yawon tabura da kullun kana shan wahala bisa kan hanyoyi in dai ka hakuri da kasuwa irin wannan da ake cikin ta in dai ka kyautata mata kasuwa alhamdulillah tana tafiya ita ma za ta darata ka insha Allah yanzu Aminu muna so mu ji kamar yani kuka koya ga aikin To yadda na koyi aikin nan na farko dai kamar haka DJ ne nake ta yi haka na gidan biki a ɗauke ni daga farko ina nan ina nan sai na sai ordinator haka ina dan tura mutane ina dan tura mutane dai sai na kamar haka dai tana tafiya sai na bata muhimmanci da na bata muhimmanci sai na kamar tana gyara ni sai na samu ina yin aiki na ita ina ci ina sha kai naga har ina ma wasu biyan bukatuna har naga kamar matasa ma suka sai wasu abin da wani mai tsada ne ni ma naga kamar kaso tana bani ni ma ina sai ina yi a na. na koyi aiki ina nan ina nan sai na taho jihar agaras da na zo Agadas akwai wani mai gidana na nan a nan na zauna gurin shi ya koya min harkar ordinator na information sosai ya bani information sosai sai kuma yanzu da Allah ya kawo ni ciro na ga kawai kasuwa ta karbe ni lalle alhamdulillah ana ta dama da mutane sun san na san su kuma an samu masoya tabarkalla hakika ni dai discotheque tana gyara ni to amin Ladi ya ku tallata kamar discotheque ta ku kamar kuna aiki da yanar gizo ne eh alhamdulillah gaskiya akwai harkar rezo sosai a cikin lamarin tunda muna aiki kamar internet tunda kasitocin da muke samu yanzu da an ci gaba da sai an aiko mana daga kano a biyo ta mota rumbu a ta samun tseko sai ka samu kamar yau an aka maka ambuwa ba lalle bane ka same ta ba zuwa gobe ko jibi sai ka sati guda sama da sati guda ma sannan ka same ta to alhamdulillah yanzu an samu ci gaba ci gaban da aka samu yanzu da sun yi abin suna jewa shi da sun jewa su sama internet za mu yi mega sai mu ɗauko su kai tsaye take yanke sai ka biya bukatunka ka samu alkhairi su su samu ku ku samu amma hakika muna aiki da rezo sosai kuma tana gyara mu rezo sosai kenan ya ne zaman ka da mutane ke a nan cikin garin Ciro kama ya hulɗa ka da jama'a take hulɗa ta da jama'a Allah saka da alkhairi ina ta yaba kullu yamma kuma ina ƙara jan wa kaina hankali da zuciyata kullum ya zama to ina zama da mutane lafiya tunda na zo shekara kusan shidda ce na shiga garin nan ko bakwai a cikin garin Ciro ba da abokin da mun yi faɗa da shi ko ya saba min ko kuma ga shi dai mun caca baki da shi da su ko ta na rike ta bisa amana abokan kasuwa ta mu taba saba da su ba ko kuma abokan zama haka na guri ɗaya wanda ake da su eh zan yi godiya ga Allah alhamdulillah ga masoya wanda suka rike ni amana na bisa harkar kasuwanci na da zamantakewa ta cikin garin Ciro. Zuwa wannan diskotekin taku kamar da wani irin kayan aiki ne kuke aiki? Kayan aiki na wanda nake harkar diskoteka da ita kamar yanzu ina da makarancin kayan aiki ne. Kwamfuta ce nake aiki da su guda biyu. Eh kuma dangance da yanayin kayan aiki sun yi kaɗan kamar sun min kaɗan ne. To daga abin da ya sanya yanayin kasuwancin ne to da lokacinsa shi ya sanya abin da ka gani ka yi hakuri da sa in kai hakuri da shi komai mai huce ne sai kun dai da muke samu kamar karancin kayan aikin da sun yi kaɗan kuma babu abin sayan to alhamdulillah inda aka yi hakuri kaso tana ba da wata insha Allah an dace yanzu kuma muna eh. so mu ji kamar cikin rana kamar kuna samu kamar nawa ne to akalla da alhamdulillah diskoteka ana samu alheri sosai tunda a lokacin za a biya bukatu na gida kuma a ajiye a taimaka iyaye to sai zaman to yanzu abin da yayi karanci tunda za a ce ai komai ka gani ka dangana shi da Allah eh in kai hakuri da Allah shekara ce ce ba ta gadon shekara kullum kowace shekara tana zowa da yanayinta abin da nake samu a yini akalla a yanzu ina samun kamar ɗari uku zuwa jika jika biyu in ta ba da wani lokacin fiye da hakan ma ana samu alhamdulillah kasuwa ta akwai yara akwai mata akwai maza akwai duka dai kamar zan iya ce ma jama'a ce dai tabarkalla kowace tana zowa akwai haɗin kai akwai soyayya tsakanin da ni da su sosai akwai girmama kuma akwai darata yanzu nan kamar cikin garin ciro kamar kuna aiki tare da hukumomi ne ko kuma akwai wasu kungiyoyi hakan wanda kuke taba ayyuka tare da su akwai kungiyoyi wanda muke tare da su hakika bisa kan eh, zamantakewa bangaren mata ne suna da kungiyoyi wanda suna jana kamar harka in koya musu bisa kan aiki na harka ordinatar suna zuwa nan sai in ce to ba ni da cikakkun kayan aiki amma akwai informatic ka tana yi sai in tura su can tunda babu kayan aikin ne a wanda da kayan aikin da an samu aikin yi Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, place à présent à notre deuxième partie de notre entretien de Aminou Danladi. Il va nous parler des difficultés qu'il rencontre dans son métier. Il est toujours au micro de Ahmed Félan. matasa samari su ma suna ta zo mini akwai kungiyoyi sosai ina ta hulɗa da su muna dama da su kuma bangaren hukuma alhamdulillah su ma ana ta gudunmuwa ana ta bada kokari kansu eh. Eh, yanzu muna so mu sani cikin wanga aiki kama wa'anne irin masaloli ne kuke fuskanta to matsala ta guda akwai karancin kayan aiki gare ni in ina so ma in yi wasu abubuwan a cikin su ko kuma in ajiye abubuwan da nake bukata to kayan aiki sun mun kaɗan kuma babu kuɗin sayi kuma kasuwar da take zuwa ta yanzu baka ajiya ka biya bukatunka har ka ajiye ka je ka sayi kayan aiki ka kara. kuma kamar yanzu mato kamar kayan da ne ma muke aiki da su yanzu yanzu ya kuke gani wanga aiki na discotheque kaman yana cin gaba eh alhamdulillah aikin discotheque gaskiya na ci gaba tunda harkoki ne yanzu sun bude na zamani ne da abin da ka gani yanzu harkar kasuwanci in dai harkar discotheque ce to alhamdulillah tana tafiya ka bata karfi tana da muhimmanci akwai matasa sosai za ganin su sun rena wani sana'a wani kuma sai ga tana jala shi to ni dai shawarar da zan bada bangare na ni tana jala ni shawarar da zan bada zuwa ga matasa abokaina da wanda suke ɗaukar sana'a mu kamar ba mu da kasuwa ne a gare mu ko kasuwa in dai kana da ta karkare na ta tana tafiya mu dai ba mu rena ta ba alhamdulillah ya fi dai zaman banza ko kuma kai ta yawan tabarada ta tana kawo alheri tunda harka ce ta yara matasa da yan mata da samari akwai dai kai abubuwa dai ga sanan dai wanda kawai na nishadi ne na faranta rayuwa ne na faranta zukata ne kullum diskotaka tana yi gaskiya kuma muna kira ga matasa duk wani mai zaman banza wallahi ya tashi a tsaye a wannan lokaci ba nashi bane ba ya kama jikinsa saboda duk in dai kana rena kasuwa a yanzu to kana cikin kangin bauta kana cikin kangin wahala sana'a koya take yanzu ka rike ta da muhimmanci tana da amfani sosai to ni dai tunda na tasa kasuwa ta ce bin rena ta ba tana biya min bukatuna kuma har yanzu har yanzu ban gajiya a tare da ita ba kuma ban sake ta ba ko ban taba tunanin cewa zan canza ta ba tunda tana min alheri kuma tana biya min bukatuna wani kira gare ka daga kungiyoyi ko kuma ga hukuma domin su tallafa muku bisa kan aiki kiran da za mu yi ga mahukunta idan da hali a taimaka mana saboda mu muna cikin harkar kasuwanci ne kuma muna tafiya da al'amuran mu akwai wanda suna zaune a banza babu aikin yi ko kaɗan kuma sun zo sun gama muna yi sai su na mana kasuwa to mu kiran da za mu yi ga hukuma inda hali a taimaka mana bisa kan kayan aikin mu ko kuma a taimaka mana bisa kan wasu sana'o'i a buɗe mana su masu muhimmanci a yadda za mutum zai ka samun abin na kanshi a cikin inda hali kuma zuwa ga kungiyoyi muna buƙatar a taimaka mana da bangaren foro in ya samu wani eh, farmasiyon ne wani aiki ne kamar za a koya wasu muna a haka ne ya kamata a yaka taimaka ana ɗaukan mu muna hudda wasu husa'o'in mu ma daban a bangaren kamar wanda za a koya din kuma hukuma inda hali a taimaka mana da kayan aiki ko kuma a taimaka mana da wata ma'aikata a buɗe mana ta wanda za mu shiga mu kayi da mu da matasa masu zaman banza cikin aikin da kai cikin wagar suka taikin kana iya bamu wata tarihi kuma abin da ya burge ka cikin wanga aiki ya yi shiga ranka ma ka ci gaba da yin shi abin da ya burge ni na farko dai da na ina iya wa kaina komai a cikin ta tunda na armi a cikin ta na samu gida na kaina a cikin ta na tallafa iyayena ba bacin kullum muna wasa da dariya kuma bisa kan sana'a ce duk sana'a da na dauka na kama sai in ga in ba na komo kanta ba ba sai in gaba ta gyara ni to kawai alhamdulillah ni dai kasuwa ta bisa discotheque tana gyara ni kuma har yanzu tana cikin gyara ni ne yanzu amin kun taba samun wani foro bisa wanga aiki na discotheque foro na guda ne kawai da na tayi nema formation na nema ma kaina saboda in iya aikin kar in yi bata mutane kafin iya aiki ba shine kawai na samu na zuciya na je na zuba kuɗi na a agadas a koya min wannan sana'ar mai gida na a agadas yake shi ya koya min wannan harkar na zo na zauna na fahimce shi ya fahimce ni ya koya min ita na zo alhamdulillah yanzu ko da sun lalace kayan ina iya wa kaina abin da yafi karfi na sai in kire shi kutanta min daga can in zo in daidaita alhamdulillah kuma har ina wa wani ina wa kaina ina wa wani kuma ina kai sakon gaisuwa ta zuwa ga studio Kalangu ga mai da irin shirye-shiryen da take watsawa bisa kan radiyoyi eh, hamsin da biyu duk irin shirye-shiryen da studio Kalangu take muna bin ta sau da kawa muna jin ta duk a wuni studio kalangu a cikin kap ta tabarkalla kowa ya shurare ta saboda ta kawo haɗin kai babu bambancin wariya kabila kai wannan kai wannan duk ta cakuɗa ta kawo yare duk ta zuba wanda alhamdulillah kowa ga nasa in baka shaurara da wannan yaren ba an kai ga naka kuma shirye-shiryen da take watsa akwai na safen nan da take yi yana burge musu sai yadda ta kamata akwai na marece ga shirin a hada a fadan nan wallahi shirin ta sai dai mu ce ubangiji Allah ya kara bunƙasa Allah kuma ya kara tsare su to mu gode Aminu duk ba lokacin ku domin mu tattauna bisa discotheque ta to masha Allah ni ma alhamdulillah ina godiya Allah kuma ya saka da alkhairi arrivés à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Rekia Arimi et moi-même Salam Kadri. Le rendez-vous est pris pour demain pour sur les zones du studio Kalangou. À la technique, nous avons Abdelkader Tchambiano et Mariam Adé à l'édition. Excellente journée à vous.